je ne dormais pas parce que c'était un défi. D'autres disent qu'il a le profil, d'autres disent qu'il n'a pas le profil. C'est vrai que la nomination, il aussi euh, il n'est pas à la hauteur, il pourquoi le maire m'a choisi En réalité, c'est recevoir. Hein? Bon, je l'ai reçu avec beaucoup de philosophie. J'ai dit que nul ne peut échapper à son destin. Le destin est un rendez-vous il veut là il veut et quand il veut. Fin de citation, Maria Baba j'ai dit que j'ai un défi devant moi mais ça m'arrivait je ma xaaree ba guddi je ñaan sama waajur ne luñ ma dénk lii ma bañ am la première chose que j'ai senti j'ai travaillé avec le chiffre 7 j'ai mis sur mon directeur de campagne à l'époque j'ai discuté avec Adam Mohamed Baye parce que comme ça on est il fallait trouver une pièce de rechange et comme Adam aussi la majeure partie des jeunes ne nañ ko et c'est un cadre, je l'ai décroché. Donc, euh, Abdul Sow, c'est l'expérience. Maïs Ndiaye, c'est la pondération, la sagesse. Donc, euh, il y avait moi, n'est-ce pas euh, Badji, c'est le tacticien politique dans une certaine mesure. Donc, il y avait Moussa Sambou, qui est un cadre, n'est-ce pas Donc, on a pendant un mois et demi, on a fait le programme, on a fait les réalisations nous avons proposé ça aux populations. Par la grâce de Dieu, Moula est sorti vainqueur de ces élections. Je me rappelle le jour-là, après le décompte des voix, on te dit que c'était trop serré. Quand je suis arrivé à la permanence, tout le monde riait vers moi. Effectivement, c'est, J'ai dit qu'on n'a pas encore gagné. Parce qu'il y avait les résultats de Dougar, gagne. Et quand le docteur a gagné Dougar, j'ai dit Alhamdulillah. Et de là, on a décompté. On a eu une différence de 421 voix par rapport aux autres. Donc Moulay est sorti vainqueur de ces élections. kon liggéey bu metti liggéey bu metti la woon liggéey bu amoon jafe-jafe la woon liggéey bu àndoon ak pression. parce que <laughs> vous êtes sans savoir que mon gor était candidat Sané candidat de Roudombourg et candidat de la commune. Dombou Amé amee ñaan waaju koo yéene de mo reere dibi ma à son je me suis toujours battu pour ma maman. sa relation ak sa yaay. c'était des relations très confidentielles c'était mon ami c'était mon tout quand je parle de ma maman ça dépasse le niveau parce que dom aadama boo gis war nga jege sa waajur. moment bi nga toll ni lepp di waaj soti ngay gëstu ngi ko. effectif donc cela m'a beaucoup touché mais je dis que bon yalla moko andi fi yalla moko ko ñun ñëpp nekk am nga sa bëss mais j'avoue que ñene fi tok kep ko xam am nga waajur bu dund na nga nek ci wetam ko jàppalit koy gunge c'est important euh dom bu rawee ñaan waajur le hein c'est important donc santé ko bu baax a baax baax et je me rappelle. Quand on a mis sur pied le comité de l'AFP, j'étais pas là, j'étais allé voir ma maman pour demander sa bénédiction. Je suis allé du politique. Donc, trois jours, je me suis dit, ah, mon Tu sais, le chef de cabinet, c'est le fusible et le paratonnerre. Hein? Euh, mais mère, jusqu'à où moi je ne veux pas lui faire confiance à moi. Et je fais tout pour mériter cette confiance. Je ne l'opinion je ne lâche jamais prise je voilà. alors nous rappeler toujours que nous euh, ñu ngi dalal ki nga Samuel Badji euh, chef de cabinet bu maire bu Diamniadio mais également nek euh, un politique bi ñu représenté waat ci département de Rufisque wala sax ci Sénégal euh, ndax comme sànq ba léegi ni ñu koy déggee waxtaan bi am solo parcours bi également nek na lu riche riche mais monsieur Badji wax nga ko sànq élection yi ñu jot a weesu metti woon na lool bëri woon na enjeu yàlla dogal yow ak le maire monsieur Mamadou Malaye Gueye avec toute l'équipe bi nga c'est ne c'était ngeen leen fi telloowaat leen li nga xam ne mooy lengey ngeen ñëw teg un programme du Pérou horizon 2027 pourquoi ça donc merci beaucoup M. Euh, monsieur Diallo vous savez avant avant qu'il y ait le H27 donc euh, le maire à l'époque il avait mis sur pied le plan de développement communal 2017 horizon 2022 donc euh, un plan de communal un, plan développement communal nous sommes 13 milliards 13 milliards il y avait quand même des projets phares il y avait la construction du marché central de Djamnyadjo. Il y avait la gare, une grande gare routière. Donc, et aussi un, grand centre de santé, n'est-ce pas Donc, à l'image des autres centres de santé, avec un bon plateau médical. Nous avons déroulé le programme, le programme, le plan de développement communal. Donc, euh, beaucoup de réalisations ont été faites. Mais pour te dire vrai, il y avait des, des, des, gros d'étranglement. Euh, donc, euh, il y avait ces projets-là devaient se faire avec des partenaires. Donc, la mairie, d'ailleurs, j'ai contrepartie, partenaire au Tabac. Malheureusement, il y avait une mésentente communication hein. entre vraiment, nous savons nous sommes je, donne, je prends l'exemple du Marseille avec euh, le promoteur. Ça a conçu un blocage. Il y a eu des désinformations la désinformation surtout accélérée. Et finalement, projet Moudjoldef. Mais pour te dire, dans le PDC, il y avait, il y avait beaucoup, n'est-ce pas, de compétences transférées. Les neuf compétences ont été prises en compte. L'éducation, hein, donc la santé, l'action sociale, n'est-ce pas, la voirie, environnement, j'en passe, jeunesse, sport et loisirs. Donc il y avait les compétences, les neuf compétences. Il y a eu des réalisations qui ont été faites, n'est-ce pas. Il il y a si je me rappelle bien, euh, nous avons réalisé au niveau de semi un poste de santé, n'est-ce pas Donc euh, actuellement, nous avons réalisé aussi la maternité flambant neuf, n'est-ce pas, de, Ndoyen. Donc euh, nous avons renforcé le plateau médical de Ndokora, parce que l'on a de Donc le centre de santé, nous avons réussi quand même à, à gérer ça. Bon, finalement, Elisabeth, le fondation, là, mais les centre de santé. là. Donc, au niveau de la gare routière aussi, pour te dire vrai, on est en train de chercher un site permettant d'abriter cette euh, gare routière. Donc, le lañu jotton réalisé. Donc, entre-temps, avec le PDC, PDC c'est l'avènement, c'est là où on a adossé le H27. Le 27 c'était un programme qui était là que nous devons vendre aux populations de Diamniadio. Donc, il fallait faire un programme et pratiquement les compétences ont été aussi prises en compte. Donc, euh, je prends l'axe, par exemple, 4, la santé, et l'action sociale. Parce que Donc, nous avons décidé de changer les prestations de services, de renforcer le plateau médical, n'est-ce pas, de l'hôpital de Djamnyadjo, de changer un peu le cadre, n'est-ce pas, sanitaire, n'est-ce pas, la cartographie sanitaire de la, de la commune de Djamnyadjo prenez par exemple l'éducation mon frère donc euh, aussi mon premier point parce que là, étant donné que lui c'est un un homme du milieu c'est un enseignant il a pris la retraite en tant que directeur d'école de classe exceptionnelle l'éducation occupait une plan centrale dans sa politique et de là <laughs> nous avons réalisé pas mal euh, de problèmes au niveau des des étudiants. Nous avons réglé le problème des logements au niveau des étudiants à Dakar. Aujourd'hui, on parle de Bambay, on parle de Ziguinchor, on a réglé ces, logements-là avec des sommes sans appel pour permettre à ces étudiants d'étudier dans la tranquillité, dans la stabilité psychologique et de gagner vraiment, d'obtenir leur diplôme. Au niveau du Sin bientôt nous allons y arriver. Jusqu'à présent, on a renouvelé, il y avait aussi les aides sociales. Nous avons pratiquement de 10 000 Aujourd'hui, l'élève a, 20 000 francs, l'étudiant a 35 000. C'est pour permettre au moins d'avoir quelque chose. Hein? Ça va te permettre de réaliser quelques détails, n'est-ce pas, dans le cadre de, les études. Donc le H27 aujourd'hui constitue aujourd'hui la vision du maire de la commune de Djamnyadjou qu'il avait dégagée de 2017 à 2022. Et partant, n'est-ce pas, de H27, nous avons mis sur pied des lettres de mission. Et des lettres de mission ont été mises. Les services municipaux sont en train de réfléchir sur la vision du maire de la commune de Djamnadio. Nous allons partager ces lettres de mission avec, n'est-ce pas, les élus locaux, les présidents de commission. Vous nous parlez, ces lettres de mission. Nous allons voir est-ce qu'il y a nécessité, n'est-ce pas, de mettre sur pied encore un PDC ou de continuer la cadence avec le, H27. Donc voilà la situation actuelle, n'est-ce pas, de notre programme. Il y a huit axes. Donc euh, il y a l'éducation, il y a la voirie, il y a les infrastructures, il y a la santé et l'action sociale, il y a jeunesse sport, il y a loisirs, etc. Donc il y a aussi l'économie solitaire, n'est-ce pas, n'est-ce pas euh, qui va permettre aux artisans d'enturer les dividendes et de gagner dignement. Donc, je vous donne une information. Récemment, le palais public a inauguré, n'est-ce pas, avec le Révas ici, au niveau de, de Le maire, Wahom il a entrepris des démarches. Il a rencontré le ministre, pour que les artisans de Djamniadjo, non seulement nous organisé, mais aussi nous par rapport à ça. Donc, le maire, dans le H27, c'est pourquoi, quand les autres candidats avec leur formation politique, ont présenté le label de programme aux populations, nous, en tant qu'expérimentés, nous sommes jusqu'au dernier virage pour non seulement défendre le bilan, mais, mais proposer le programme, n'est-ce pas, aux populations. Et les populations ont voté sur un programme. Parce que c'était un programme fiable, un programme qui a pris en compte les problèmes sociaux de notre commune. La population nga la wax population bi ñoo voté programme alors euh, mais aussi ñu delluwaat gis population boobu dellu siwaat naan ñoom gisuñu ci li nga programme est-ce que aussi tamit da ngeen ko tënk ci papier rek mu yam papier. non on est en train de dérouler quoi qu'on dise monsieur Diallo nous sommes en train de dérouler la preuve je prends par exemple euh, euh la voirie aujourd'hui jam je me rappelle très bien quand notre ASC d'alors ASC Djubo des soirées n'est-ce pas restaurant mais tu payes 10 000 francs et à l'époque bo sa tank <laughs> da ngay xam parce que le sable est gonflé ban bu

avec la DGPI Regardez les di mais DCPI, mais mon ko dox moo ci wax d'une présidence les services de la présidence Le président jot le président Boleko, c'est ak euh, Seydou qui est là il faudra en prendre en compte y a ci mais gars gars non attends c'est un programme quand on parle de programme la collectivité locale a son propre budget mais il y a des partenaires pourquoi mairie yi du di Fididem, par exemple en France dañuy outil ji partenaire non mais aujourd'hui l'État est un partenaire à la collectivité territoriale l'État est un partenaire le premier partenaire d'une collectivité territoriale c'est l'État du Sénégal Moi, mooy accompagner les collectivités territoriales donc aujourd'hui bu ñu amee santé royale. Et à part ça lan ngeen fi defal. à part. Euh, voirie bi nga may wax voir ak pavage yi nga xam ne ñëpp gis nañ ko te ñu ngi ñaan est-ce que ñu ngi naan sax est-ce que dina yegg non dina yegg ay non non non non non la preuve nous, quand nous sommes venus Diamniadio la situation était complexe je me rappelle en 2009 quand le maire est élu le 13 avril 2009 il fal ko lu mu njëkk a def moom Y a que 10 millions teg ci table bi la voix d'Ely Malick Gueye Diamniadio moom la njëkk a latériser fii xaarul budget bi Bob Diamniadio tey melul dam naa jot doole financier bi des na ci propre alalam mu def ko koku bëgg na jam ñaajo aujourd'hui Dougar bo daan daw problème la quoi qu'on dise aduna ci ben lay compter même dom bu juddo sax <laughs> day am tur day commencé raam commencé dox commencé wax c'est une question d'étape quoi ah. qu'on dise. mais 12 ans vous la pas non attends je vais vous donner une information goudron c'est non goudron musul am jam yow nga mon frère goudron. la la mairie c'est le maire Moulay Gueye dox am wala am donc tu ci comité collectivité territoriale. Il y a a qui actuellement les pénétrantes de Diamniadio les anciens n'est-ce pas l'ancien ancien on est en train quand même de mettre des pavés des autobloquants pour permettre gens. même pour toi, mën sol il y nga dox ci biiru Diamniadio il m'arrivait. Donc là, c'est un aussi il faut qu'on le dise. avec le temps la preuve parce que waa salam Salaam aussi tamit mere nañ la ci lolu koñ ba ba légui alhamdulilah sante yalla baax. xanaa yi parce que. waaw Amazone yi Amazonie ngi fi amazon yi faut ma dee les Amazones sont là démb rek ils avec moi d'ailleurs euh, pour information j'ai encore décoré beaucoup de jeunes qui étaient avec Pastef <laughs> qui étaient venus me rencontrer et qui ont donné leur les primo les primo votants sont derrière le maire de la commune de Diamniadio parce que gis nañu que Diamniadio Diamniadio mën nga changer. Diamniadio a ngi changé xaru kanam donc étape la yow fu nga dëkk boo enseigne Diamniadio ñun fu ñu dëkk foofu àllaloon à l'époque boo doon door bal bi yéen a nekkoon xale da ngay wër ba sonn quand l'ASC Juboo s'entraîne j'étais encore très jeune Ahmed donc boobu sa goro moo nekkoon moo nekk moo nekk moo nekkoon le coach n'est-ce pas tu te rappelles de ça yaa ngi rekaan donc loolu lu yàgg la c'est des années bu doon door bal bi ci àll bi da nga koy wër ba sonn doo ko gis man fu ma dëkkoon foofu yëpp àll la tey ay kër fa nekk. Mais nous avons fait àll mu xàll ko jox ko ñi ñu ba accompagner la preuve 500 millions euh, budget il bi mais dafa une instruction ferme à ces services municipaux que cette année avec le directeur de service technique le secrétaire municipal et le comptable et plus nous on a assisté joxe ordre nañu cette année 500 millions de koy def ci voirie pour permettre ñu ci à l'intérieur de Diamniadio donc nous pouvons accéder n'est-ce pas ci capital bi yow a un ci biir capital bi yow a un toll nii bu tawee da ngay teg ataaya naan am problème bu xëyee sol résoudre, da donc santé ko yàlla bu baax a baax te ça va se réaliser. le corridor le corridor Diamniadio Dougar Djenimali djeni c'est pour bientôt le maire était là avec euh, la Gironde c'est Enanchine qui a gagné le marché. Nous avons, nous avons fait la visite avec le maire, on aura vos conseils d'école territoriale, Demnanou. Donc c'est à partir de Kër Serigne Touba, jël n'est-ce pas génn côté Balibor FNI, ni Dougar jël Dougar génnaat souf Dougar cité fonctionnaire rallié avec la RN RN 2 continuer Nous, ni donc Lolo, c'est pour bientôt plus de 2 km, plus de 2 km 500. Lo loo maire moko dox moko wax ba c'est pour bientôt Dembrek, le maire il a appelé Senghor le directeur de la géo et c'est fermement c'est pour bientôt nous allons démarrer les travaux lolu mën nañ nous euh, comme nous ko comme ñu ngi euh, réalisation yi mi ngi am cours de route euh, ñaan rek lem bi bañ a tàbbi géej comme ni muy faral di amee souvent ñu ngi koy faral di gisee ak yenn politiciens alors si euh, ñu ñëwee ci wàllum pôle urbain bi avec la jeunesse chaque jour ñu ngi jooy réinsertion foo lañ ci toll. pour le pôle urbain c'est une vision de son excellent maxar pour décongestionner Dakar comme il y a un boom démographique à Dakar le président de la République a jugé nécessaire comme Diamniadio appartient à la région de Dakar et au département de Rufisque Sauf si des la fille, mu dem xal ay bi ay ministère defo mais j'avoue que ñu bari ñu ngi wax le maire dugal na plus de 300 voire 500 jeunes ñuy liggé ci pôle mais il construit pôle urbain bataille. je parle sur le contrôle de Maïssa Ndiaye c'est des ouvriers parce qu'il a donné des instructions nous avons des banques de données Aujourd'hui, quand on a besoin d'un ferrailleur, automatiquement, il appelle ses services municipaux. J'ai besoin de temps, on les balance, n'est-ce pas, Au promoteur. Ben, construire le c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses, même Voilà, maintenant, c'est ça, c'est pourquoi le maire aujourd'hui a insisté sur la formation. Parce que la majeure partie de ces jeunes-là, c'est l'étude générale au Sénégal ci vision présente de la République Moulay Vision nous demander à ses services et auprès de la commission éducation formation mon ami Ibrahima Bey de favoriser la formation pour permettre aux jeunes qui ont fait des études générales d'avoir une, qualification les permettant d'insérer le, domaine de l'emploi. Et on est en train de faire, je peux prendre des exemples. Mohamed en aujourd'hui Bonheur, hein, il a fait l'anglais à, l'université. Aujourd'hui, il est technicien supérieur de la voirie. Il a fait sa formation au BTP. Parmi Bounou, il y a d'autres. Il y a beaucoup de jeunes actuellement. je peux prendre beaucoup d'exemples. Je pense que aujourd'hui, notre souhait est que chaque jeune cave ait un bon job alors euh, loolu daf ñuy permettre rek c'est une très bonne transition pour nous dugg ci li nga xam ne moom mooy politique nationale parce que dégg naa la sànq ba léegi saa soo waxee rek le président de la république euh, alors le président de la république fu mu toll nii ñëpp gis nañ situation bi nga xam ne fa la toll muy wàllum troisième mandat ngeen tuddee ko quinquennat euh, foo leen ci toll. merci beaucoup monsieur Diallo vous savez que le président de la république mañ ko falee le 26 mars 2012, vous serment le 3 avril 2012. Ce def le conseil constitutionnel les sept sages ne leen ma sama population ans la charte fondamentale de notre pays du la constitution nous tontu nous avons ko 7 mandats mandats 2016 nous révisé la constitution en 2016 le oui a remporté avec 60 et quelques et là il dit que nul ne peut faire deux mandats consécutifs de 5 ans nul C'est un il il a un nouveau quinquennat de 5 ans c'est pourquoi ce quinquennat dont tu parles de 5 ans aujourd'hui, permet au président de la République de se présenter. Avec la révision de la Constitution de 2016, et beaucoup de leaders de l'opposition ont confirmé cela. C'est le cas de Barthélémy Gass qui dit que Boumaken Woyi, une manifestation pour un mandat, il présente il confirme que le président de la République peut faire un deuxième mandat, un deuxième quinquennat de 5 ans. Maintenant, le président de la République, on est dans un pays, <laughs> un pays qui a ses lois et ses règlements. Le moment opportun viendra. En tout cas, le Conseil constitutionnel va se prononcer. Et je sais que le président de la République aura un deuxième quinquennat. Mieux, nous, au niveau de la base, en tant que responsable politique, ku wax président de la République candidat Je suis un candidat. Ah, attention il y a encore. Nous, Nous on a dit qu'il sera candidat te président présent na. mais est-ce que ah, mon est-ce que mon moment opportun xam nga pour qui politique qui est ko yulli ci marché politique qui est ko yulli ci le moment opportun viendra président sénégalais de ko

en tout cas les candidats nga xamné ne déclaré na Pape Djibril Fall démb la ko wax. mais jàpp ràpp tëj bi. Déthié Fall. jàpp rap tëj bi Badji ñëpp ñu non jàpp rap tej xam nga quand tu fais de diffamation un journaliste nga né journaliste nga nga né jang journalisme comme Ahmed Diallo am sa lijaasa def communication tu avances des choses sur une personnalité une personne di wax lo xamni ne yow wóoru la da dégg am na droit porter la plainte pour diffamation atteinte à la dignité de la personne nous sommes là le pays quand même. mais il y a un saam aussi tamit ci mbedd bi mais attends boy, wax na l'air, tous les journalistes qu'on a arrêtés mais lui, ñu wax leerul dañu wax ne dégg na leader mais là on est dans un pays de droit et nous faisons confiance à notre justice. Maintenant, si y a, par exemple, moi, je diffame Ahmed Diallo, il me porte plainte. Nous arrêtons, il mène une enquête. Nous entendrons. Ben, nous dem. Nous bon, finalement, euh, na dëgg ci Ahmed. wala amul mais dañuy dal sama kaw loi bi sommes dal sama kaw. c'est le cadeau de Ousmane Sonko et membre

c'est cette chance que nous avons. borom ne le 25 février 2024 président a gagné parce que c'est un bâtisseur pour ce pays c'est un développeur pour ce pays c'est un homme qui a montré ce qu'il est capable pour ce pays sa capacité de transformer l'économie de ce pays sa capacité de bâtir le pays sa capacité d'apporter un changement radical à l'émergence de ce pays c'est pas pour rien qu'il a mis sur pied son fameux programme, le plan Sénégal Horizon 2000, le plan Sénégal émergent Horizon 2035. Et Inch'Allah, je suis la ko le chef de cabinet du même je au conseil territorial que le président de la République Macky Sall sa candidature sera validée nous allons aux élections Ousmane Sonko avec Sonko no Sonko suis man de ñaan man de man man rek damay ñaan Ousmane Sonko pour victoire bi gëna parce que bu bokul de dañ ne c'est comme dans un match de football le meilleur joueur joue, ñu dafa carton jaune wala ñaar carton jaune wala rouge day ne Diallo football mo tax gagné dans les da koy mais footballé ñu ko même si le président va aux élections il gagne les élections mais sans son du neex man man sama avis personnel suma ma day ñu dem élection ñu duma ko won ko du c'est très clair maintenant il est il a maille avec la justice de notre pays bon nous allons attendre parce que moi je fais confiance à la justice de mon pays ce que la justice de mon pays décidera donc on va se conformer à ça. ñu ngi ci li nga xamné mom dernière phase bi jëm ci les élections euh, présidentielles au niveau local Pour len ci bon au niveau local euh, ñu ngi ci. Nous avons déjà démarré le programme. Diamniadio euh, Sunigité, euh, Macky Sall 2024. Le maire de la commune de de récemment convoqué une assemblée générale pour informer à tous les responsables et militants de Benno Bokuyakar que Macky est notre candidat. De pour demander aux responsables et militants de Benno Bokuyakar de massifier le parti. De Troyes pour demander aux responsables et militants de Benno Bokoyakar et de l'APR de maintenir la cadence jusqu'en 2024. Parce que nous n'avons pas droit à l'erreur. D'autant plus que chaque élection est gagne. Donc 2024, nous devons gagner. Et nous ménageons aucun effort. On va battre toute l'opposition qui est là. Inch'Allah. Et ça sera partout dans le pays. Donc, moment, on a démarré la vente des cartes, n'est-ce pas de la paire pour mieux massifier le parti. Donc, euh, inscription on est à 1500, je crois bien, 38 hein, inscrits, n'est-ce pas Donc, euh, nous, nous, euh, que la jeunesse est prête pour s'affirmer, pour donner sa voix. Ma carte, ma voix, c'est le slogan donc maintenant ici en tant que chef de cabinet je t'ai dit tout à l'heure que euh, le vendredi j'ai reçu plus d'une vingtaine de jeunes qui étaient au PASTEF des jeunes qui ont voté son ci élection législative des jeunes que j'ai dit écoutez Sonko c'est pas l'affaire c'est Macky Sall l'affaire Sonko ne peut pas développer ce pays c'est Macky Sall qui peut développer ce pays parce que ce qu'on est libre de défendre aussi son leader hein. Donc venons ensemble derrière Mamoudou Moulaye Parce que c'est mon mentor politique, c'est mon leader politique, c'est mon patron. Je travaille, je travaille avec lui, je le fais à côté. moom bu yëkkatee teg ko ci loxom Macky Sall lépp lu may liggéey ci mom la ko teg mom bu jëlee loolu teg ko ci loxom Macky Sall kon man lu may liggéey en tant que chef de cabinet ma wara nek au devant ñeneen suivre la cadence parce que musique pour qu'elle soit n'est-ce pas bien écoutée et qu'on condense bien sans plus danser plus vite que la musique. Je crois que actuellement, vous avez mis tout en place pour mieux organiser la rencontre d'aujourd'hui, mon Donc non, la politique, c'est comme ça. Il faut articuler, il faut structurer, il faut sémantiser, il faut y aller ensemble et gagner ensemble.

bëgg na ginaar ginaar moom bëgg naa ko ba ma ko toggalee añ bëgg naa ko tey la preuve sax ginaar laa añee <laughs> man mun naa añ chaque jour ginaar c'est mon en tout ginaar daal vraiment loo ma ko boone nag c'est mon plat préféré waaw ginaar moom bëgg naa ko dëgg yàlla moom. alors euh, ginaar bëgg na ko kon xam naa dañuy def euh, maafe ginaar rek bu ko defee moom mu daal di koy këlamti ko euh, deuxième quiz bi mooy mystique ou anti mystique. je suis je mystique. Je ne du pas je ne xam ah. ça je le dis Je ne sais pas du nit pas ko du pas. mais quand je me prépare en conséquence parce que nous je la politique y a tout la politique si tu fais pas la politique la politique te fait. sëñ Fallou Mbacke wax na ku ne yow doo fuuf xar fa fuufa dina la fuuf boo nekkee ci domaine boobu war nga sàmm war nga ut ay ñaan yow mi yaa ngi wut ñaan liggéey fii léegi nga woon nit mu ñaan la on est dans un pays africain qui est Sénégal da ngay ñaanlu waaye nag bul yàq doom doom jàmbur donc yow daal sàmm sa bopp. lépp fii ku nekk boo takkul téere yaa ngi yor jaar yoo xam ne téere nga fa boo ko deful chaque jour yaa ngi wàccee sa kaamil sa kër pour lan pour aar sa njaboot aar sa bopp donc ñun ñëpp ñu koy woowee mystique ñaan xanaa mooy mystique donc loolu damay ut lu ñaan saa su ne di muslu seetaan di ñaan cat bañ maa topp cat moom bu la toppee nag am nga misu ba naar laay la yàlla nag mooy xam nag mais lu may ñaan doomu aadama mooy ñu ko fi ne yëpp mu ne na nga sangu na nga takk na nga naan. parce que on est dans un pays où tey pour la gisee nga yor benn oto bu rafet walla ñu gis nga changé sol benn jasner ñu ne waa fa la jëlee xaalis ak yooyu te nul ne peut échapper à son destin yàlla mooy maye donc yow fagarul ñaanul fekk nañ ko fi donc côté googu moom dama lu comme ñëpp comme tout sénégalais yow mii da ngay ñaanlu ndaw si day ñaanlu grand bi day ñaanlu technicien bi day ñaanlu ñëpp ay ñaanlu kon ku ne man du ma ñaanlu man yooyu gëw mako da nga am la neex bu nekkul ci gatt gi am ci guddu gi kon nak man côté gogou aussi wax deug yalla mu suma nak yobbu nit ci sëriñ sincère da ngay day ñu ne ilé est mystique déedéet damay ñanlu te yalla donc yalla aussi lu mu def daamu adam aussi mo gën mun nga ñanlu benn bëss nga am lu la bet donc nga tak ci loxo yalla rek parce que nit sa destin moom munoo ci dara lu yalla bind fi day am yàlla lu mu wax ci doomu aadama nag te ñun ñii ku nekk sa bés ñëw nga xam waaye xamul kañ ngay dem kon nañ ñanlu nañ ñanlu musul seetaan yi doo def bu ñu toogee ci mbooloo ñu nañ ñanlu musul seetaan yi nañ ñanlu sa cat bu ñan ñaan ñu vraiment dëkk bi am jàmm famille bi am jàmm aussi da leen di ñaan aussi yéen fi fu ngeen di tàmbali aussi ngeen yëg ak jàmm. effectivement c'est très important kon donc nañu ñaanlu comme ni ko seesee waxee euh, delluwaat ci li nga xam ne moom mooy ñaan yi am na solo trop euh, taille bi pour la troisième dame je veux dire. troisième dame bi taille parce que. j'aime de grande taille. c'est sama qui quoi j'aime de grande dame quoi élancé et puis et puis yankee quoi mais mon ami Arona le sait. Ah, léeg-léeg mu ma ne genre quoi quoi. <laughs> donc loolu moom moom xam la ma. secrétaire municipal ñu koy jaajëfal bu baax a baax vraiment nekk euh, grand boo xam ne aussi mi ngi jàpp bu baax a baax ci liggéey bi ñu koy kontaanee euh, monsieur Aro Kom alors euh, question bu mujj bi nag moom mooy émotif ou joli cœur. bon je suis très émotif ça je te le dis man bugguma doomu aadama am am problème ma je suis très émotif moo tax souvent nit bu amee problème duma am jàmm j'essaie de faire comment régler un problème mun naa gis aussi nit mu nekk jafe-jafe jékki-jékki ak nu mu amee fit yëpp jékki-jékki rek joom je suis très émotif mon ami la la say aaroon xam na ko quoi et man aussi boo ma am bul bul ma wax lu dëgër non je suis sur la défensive mais quand tu viens avec des sentiments da nga may am ci saa si nu mu mais quand tu prends les sentiments damay wàcc donc euh, mes femmes xam na ko ci man.

ñu bari lum dañ né lu mu yor loko fekk ci poosam man mé yow gu man damay joxé ba joxé sama dépense bu dem lepp loolu parce que dama émotif seen da ngay joggé fële wax la soxla bo xamné <clears throat> ñaati kër la rombu ñaati di la rombu ñew ci wax la ko té nak wax nit sa soxla ak jafé gor góor dëkk xam nga na moo tax lay wax soxla moo tax ma dama ko chaxane moo social il est généreux non c'est parce que je suis très émotif man taxaw cette année mo am problème non non mënuma ko quoi sincèrement je préfère joxe lu ma yor après uti ko ça m'est arrivé à maintes damay xëy joxe soxna si dépense may génn dem keneen ñëw ma ne ko jox ko ko maa ngi ñëw léegi des fois su ma joxee ba jeex ma woo paa bi ne nga ah, monsieur le maire de lu ma yoroon joxe naa ko day rey mu ne ma loo yor joxe ko ma ne ko waaw mu def lu mu war a def ma soufflé tuuti donc loolu sante ko yàlla bu baax bu amee kilifa bu mel noonu. alors en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax ci sa disponibilité mais aussi jaajëfal la bu baax baax ci ouverture bi nga xam may nga ñuko tay ñu euh, gën découvrir benen facette euh, ki nga xam mom moy euh, Samuel Eliman Batchi en tout cas dañu lay bàyyi rek nga dal di joxe kàddu bu mujj bi. donc remercier d'abord abord waa Diamniadio démarré ko ci sama bàjjen Mama Diédhiou xam aussi quoi condition ba ma ñëwee Diamniadio ci mom la dal.

ma koy ñaanal yalla aussi eh, fu mu teud yalla na doon aduna na flyam la yalla yalla yóbbu ko àjjana bu gëna kawé kawe kilifa bu bax lool aussi ñaanal sama wajur yande yande fay yaay aarona ngom sama yaay la ku mën ak aarona bu xolé daf ñu taaj n'est-ce pas ku nekk mu denk sa bop moromam mo yalla ko bu gëna kawé sama ñaari wajuri Mon papa qui m'a inculqué quand même une bonne éducation, pour une place honorable dans la société, surtout ma maman. Ça m'a beaucoup fait pour moi, Ahmed. Je ne me fous aar ma ñaanal ko aussi mais aussi Mon pape

ak côté moom soxnaam fan Ndiaye nga xam ne daf ma téye comme doom bu mu nàmpal ci weenam su ma defee erreur daf may woo taaj ma wax ma yedd ma orienté ma loolu la ñuy xaar ci ci yaay moom aussi maa ngi koy maa koy maa ngi koy ñaanal gudd fan ak njabootam yëpp ñoom Pape Samba Gueye famille bi Vieux Ndiaye ñoom ñëpp ñoom ay dëkk ñoom ñëpp mes collaborateurs aussi le directoire le directoire de campagne, qui a accompagné le maire Mamoudou Moulaye jusqu'à l'arrivée de sa victoire. Donc c'est le cas d'Ibrahim Bey, n'est-ce pas, posé, expérimenté politiquement, Ousmane Sao, par la commission des finances, Bey, le de la commission de l'éducation, Abdoul Sow, le de la commission planification, Adam Hamen Bay, l'actuel premier adjoint au maire, Moussa Sambou, actuellement il est en Mauritanie comme directeur d'hôtel. Donc euh, il y a aussi Goromer Lino, que nous jabaram Aïda dont Togaré Chimoma donc Amadou Abbas je trouvais là-bas aussi assister en tant que en tant que en tant que papa Maïssa Ndiaye la pondération donc euh, l'homme posé donc je crois que nous nous dañu combat bi nous yegg nous au passage Je remercier vivement apport ci wetu maire commune Diamniadio Je remercier aussi pour terminer mon ami mon frère Aaron Angom vous le connaissez mes rapports avec lui c'est un ami c'est un tout ku bamay ñew moma andi donc euh, dalu na këram nee ma suma paré moy mu jël si Je donc man ak mom yag nañu depuis depuis 2004 ba léegi ñu ngi euh, yàlla booleat ñu le ci wetu maire moom il gère l'administration administration moi je gère la politique du maire donc euh, mom aussi je ngi remercier bu baaxa qui baax ci ci ande bi ande bu sincère la ande bu dëggu la donc remercier mes deux femmes merci la première ñoo tabaxando ba yegg wa Saare maa ngi koy remercier jigéen ju ci ma bëgg la ci ma fonk lo ci tallu kuma ku nak parce que aussi su ma ba ay la me ba légui waxul sama waaw ko défé mu def suma ko mu Je donc mom aussi vraiment je koy remercier vivement parce que c'est muñ la koy remercier di ni devant que jigen war nañ ko ak sama donc euh,

yaa ngi mission pour lu jëmale dëkk bi ci kanam donc loolu am leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax a baax di gërëm tous les agents municipaux yombul ah yombul agents municipaux yi maa ngi leen di gërëm aw ma kenn xaar ma yàlla agents municipaux les conseils municipaux la même chose aw ma ci kenn xaar ma yàlla donc euh, ñoom ñëpp j'ai des relations très huilées ak ñoom parce que aussi c'est ma position régalienne donc, nous aussi, remercier. Le fait d'accompagner le maire, on a au conseil des territorial dans sa tâche de bâtir la commune de Djamnadio. Nous aussi, le Ahmed. <coughs> Donc, remercier le vous êtes un collègue. Donc, vous êtes un homme exemplaire, un travailleur, hein, n'est-ce pas, qui est en train de traduire en acte du maire de la commune de Djamnadio. Tu nous le dis. Tu as grandi devant moi, tu as été toujours correct toujours meneur, écouté par les jeunes, un gentleman agreement. Vraiment, donc nous les grands grands madame, n'est-ce pas Nous. Hmm? nu mu les Oumy de la sant. di gërëm. Ahmed Alpha. Alpha. donc fou, je l'ai vu tout à l'heure de Dougar donc moom aussi maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp da leen di gën a ñaax ci liggéey bi yombul lépp de 1, de 2, de 3, vous arrivez comme Youssou Ndour il a démarré très jeune en tant que chanteur aujourd'hui il est devenu milliardaire pourquoi pas nous c'est une question de croire à notre étoile. c'est important c'est l'autorité qui parle bëggul kenn mar euh, dañ koy xalal li nga xam ne moom mooy temps bu war euh, bu ko defee mu daal di gërëm ñëpp sant ñëpp mais monsieur le maire Moulaye gay kañ lañ koy mën a am ci plateau bu TV3 donc, euh, de toutes les façons, j'ai bien noté, je prends acte, je vais en parler avec lui, je reviendrai le plus rapidement possible. Donc... Mais je sais qu'il va vous accorder ça, Inshallah. C'est le chef de cabinet qui parle, euh, dañuy xaarandi rek xam naa internautes yi Inch'Allah donc ñoom aussi yàkkamti nañ jàkkaarloog seen maire daal di waxtaan ak moom saafonteeg moom aussi tamit comme que euh, bëri na loo xam ne jamono bi mi ngi koy réaliser te ñu ngi ko ciy xaar également bu ko defee mu askanam parce que ñoom lay liggéeyal te nekk na lu am solo ñun tamit ñu leen di jaajëfal bu baax a baax may jaajëfal

incha ci beneen numéro ak yeneen i invité merci beaucoup